Thanks. Auditeurs, auditrices du studio Kalangou, bonjour et bienvenue sur votre première émission de cette semaine, le Niger sur Kalangou. Au micro, c'est Rabia Mekano et je suis avec Maria Madé. Bonjour Marie. Bonjour bébé, comment tu vas Ça va, je vais super bien. Alors ça va aussi. De quoi allons-nous parler aujourd'hui Marie, comme d'hab, nous offrirons à nos fidèles auditeurs et auditrices un programme riche et varié avec le flash, le loti, la rubrique éco des régions qui nous amène à 10 fins ce matin, sans oublier la rubrique justice et de la bonne musique avec notre invité du jour. Nous recevrons dans ce studio aujourd'hui Bibi Mohamed, artiste, guitariste, créateur du groupe Inerana. Son parcours, son influence musicale, sa particularité, il nous dira tout sur sa musique. On finira avec les messages de nos auditeurs. L'édition est assurée par Adam Adawaki et la technique par Amina Hassan. Top, c'est parti Chers auditeurs et auditrices, nous commençons cette émission avec notre flash d'information présenté par Nafisa Sirfo. Bonjour, Nafi. Bonjour Maria. Bonjour Bibi. Alors, quelles, sont, les, nouvelles de ce matin ce 19 juin débute sur toute l'étendue du territoire nigérien les épreuves écrites du baccalauréat session de juin 2023. Ils sont 92 956 candidats, toutes séries et spécialités confondues, parmi lesquelles 37 837 filles vont se lancer à la conquête du premier diplôme universitaire. Selon le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, cette année, on note une progression de 7,5% de l'effectif des candidats par rapport à 2022 et le nombre des centres d'examen est passé quant à lui de 202 en 2022 à 213 en 2023. Ce 19 juin également, c'est la journée internationale de lutte contre la drépanocytose. Le thème retenu cette année est drépanocytose, dépistage précoce, meilleur choix. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la drépanocytose est une maladie génétique qui touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Le Niger fait partie des pays fortement touchés par cette maladie avec une prévalence estimée à 23,2% a indiqué le ministre de la Santé, Dr Idi Iliassou. Le ministre a donc rappelé la nécessité du dépistage précoce pour une meilleure lutte contre cette maladie. La deuxième édition de la Coupe du président de la République Mohamed Bazoum de lutte traditionnelle a pris fin hier après-midi à l'arène des Jeux de Niamey. C'est Kadri Abdou, vainqueur de l'édition précédente organisée par la Fédération pour l'actuel chef de l'État, qui remporte la Coupe devant Lawali Abdou Dentela de la région de Zender. Selon l'agence nigérienne de presse, ce sacre de Isaka Isaka est le sixième des onze éditions des Coupes du président de la République, dont quatre fois au temps de l'ancien président de la République à Issoufou Mahamadou et deux durant le magistère du président de la République Mohamed Bazoum. C'est la fin de ce flash. Merci bien, Nafi. À très bientôt, chers auditeurs. Comme annoncé, nous avons comme invité ce matin Bibi Mohamed. Il est guitariste. Bonjour, Bibi. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Mais avant euh, d'entamer notre discussion, Mariam, nous allons souffler en musique, n'est-ce pas Bien sûr, bébé. Pour notre première balade en musique, on va faire honneur à notre invité avec son son de Anuna avec toi. Euh, vous l'avez bien compris, notre euh, invité, il a préféré aller encore euh, plus haut avec Niger à Akanni. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas Tamashek comme moi. de mon pays, uh-huh. ça veut dire j'ai confirmé à la paix au Niger, il Dieu merci. Uh-huh. voilà, donc c'est pour cela que j'ai chanté pour mon pays. Niger à ça veut dire Niger mon pays. Ah. ça veut dire la paix. Je confirme qu'il y a la paix dans mon pays. Donc Dieu merci. Machallah, très belle chanson. Et cette chanson, elle a été composée en quelle année À quelle occasion C'est juste euh, en ces temps, il y avait des problèmes, des confusions, du partout où il y avait beaucoup de problèmes. J'ai chanté pour mon pays. C'est juste un souhait que je vais dire Alhamdulillah. Nous, chez nous, il n'y a, a, aucun souci. On a la paix chez nous, comme ce qui se passe partout en Afrique des problèmes, sans lapin. Donc c'est pour cela, ça me fait plaisir de chanter à mon pays en tant que l'artiste, en tant que l'ambassadeur de la musique touareg nigérien. Euh, voix de lapin, donc euh, c'est pour cela que j'ai enregistré cette chanson, même pas des ans. Ok, bibi. Mhm. Euh, yanzu za mu shiga tambayoyinmu bayan wannan waka <laughs> da kamuna mhm. on aimerait bien euh, savoir parlez-nous de votre parcours de votre groupe musical innaran mhm. yaya ne kuka fara wannan harin wannan aikin euh, naku groupe Inneran euh, zan ce ni ne na yi kiriyanta ni ne na yi création qui ont le nom de groupe Inneran innaran c'est comme en français on dit les antilopes du désert. Okay. C'est inhérent en Tamashek. Hmm. Donc euh, le groupe là danay na yi créer shi ofet euh, zan miki dalla dalla de kika ce abun da na san ya un grand artiste qui est reconnu qui s'appelle Abdallah Mbadougou du groupe Takris Nakal. Mm -hmm. ne maître kina shi ne ya ga Donc shi Abdallah de yezo la rébellion de Risabula da aka la première rébellion wadda aka yi da ya zo aka yi accord da paix abdullah badugu ya shigo niger da shi da group kin shi qui s'appelle takris nakal sun fito daga libi en ce temps-là ils sont dans, en pleine rébellion c'est leur artiste révolutionnaire ya hmm. zo agadez yi concert kin shi na to lokacin da yi concert kin na music ta fada min arai ta shiga min a da wasa ya kare na zo wurin shi na gaida shi an sai babu wani harkar telefon ko wani fotuna wani salfi ba su shigo ba na dai zo kusan shi na gaida shi na ce mishi tonton ina son mizikinka ya zan yi koyi gitar ya yi dariya ce mini kai dan wane ne na gaya mishi sai zama to alhamdulillah ya san uwaye na ce mini kana ekol na ce mishi ina ekol ya gaya mini ce to yanzu abin da nake so gare ka ka bari zuwa gobe zan zo in ga hajiya tunda na san kowa aife ka da na mishi presente zan tambaye ta hal tana son domin ki music paske ban iya takura ma dan mutum haka mm-hmm. sai ya cika alkawali lelandeme ya zo gida ya gaida mu na mushi shahi sai komsi ina jin daɗi ya zo star gidanmu ya ce ma jiya bibi ya zo wasa da na yi kom ya san babana an sai tan papa ile a algeria tunda duk lokacin da suka samu wani konje na amfalar rebellion société algérie libi ba su da mhm. durwa su shigo niger to re zaman baban nawa ya san shi tun tamarasit ya ce mahajiya na san baban wani dan shine nake so nima amma ya taimako da baban shi yake karrama bako a tamarasit na garon shi na son music donc zan yi amma da sharadi guda eske kuna bani izini in koya mai music ba ya ce shi artist ne abdallah ya san da da ya gani ma ina da wani don na music ah, tunda mm. ya ce duk wanda ya so abu yana son abu ya san zai arrive so fata ce mishi babu matsala tunda music yake so kuma mun ce mu hana mishi za mu jawo mishi wani abu da bai yi ba kawai mu bar shi da abun da ya sa Allah ya sa albarka ya ce to masufuwa ya mata alkawali yanzu da aka yi rebellion eh, ta ta biya mishi album kin shi zai ta yi france zuwan shi na fara ya yi album kin zo dinga wata mm. waka da akokas ya ce zai ta in ya dawo ya yi alkawali za mu ta arlit paske lui il est a arlit kominak ya je europe kin ya yi album kin shaddawo da ya zo gada kuma ya kare cika alkawali da ya zo gida je rappel yau ya rage mu gidan gaskiya allah shi kan shi ya zo ran ya ce mata zan doka bibi ke san da bibi yana gidan shi tun da bibi yana son bizi eh, ya ce zai yi ta da ni for set mois muka ta arlit na yi set mois na formation kin ma fara in fara music abdalla ne ya fara koya mini music shine ne zance mai gidana kuma shine ne zance allah ya saka mai alheri mhm. to yanzu muna so mu sani shekara nawa da kuke ci wannan abun kuma menene ya ba ku muhimmanci qu'est-ce que vous a vraiment marqué dans votre parcours to ni da na fito par example kamar wurin abdallah nazam artist na gode ma Allah ya ce mini yanzu tiye libar kana iya koma a gades paske na ce miki arlitic mhm, mhm. na dawo agades da na zo na ce to bari in gani tun da duk abin da kake ci kana son ci gaba sai na yi kireyin group ina ran shine duk ina doke da prev par example yanzu shekaran nawa group yanzu group ile ce kire gashi a gades a 25 juillet 1994 gashi da su fi sikiyan shi un ma kike ga takardar nan ina darajantar de ta lokacin ina doke da et puis il y avait beaucoup des artistes qui alhamdulillah na yi zaman arziki da su su ma yau star arrivé arrivé a bakkan qui na ne kuma ba mu confusion ko guda c'est da su sai Donc le groupe il était créé à Agadez depuis le 25 juillet 1994. Toto bibi dites-nous qu'est-ce qui particularise votre musique et quelles sont les thématiques sur lesquelles vous chantez le plus ah, Ni wakokina yawancinsu duka na kwanciyar hankali ne tunda abinda babu kwanciyar hankali duk bai da amfani mhm. shi ne kika gani matsayina na yanzu akwai artist da yawa wanda sun rage ni fara music mhm. amma mutane kullum suna tambaya mi ya aka yi aka maida ni ambassador de la musique tuareg a mhm. agadas aka tambayi sarkin abzin mai martaba lajar zaman ya ce a bibi da ya taso mun san aga da zaki mun san iyayen shi mun mai nadin sarauta wannan saboda wakokin shi duka in ka gani duka yawancinsu na kwanciyar hankali ne don shi ne sai aka ba da aka mani nadin sarauta sarki ya taso shi ne kike gani wannan sasemon decret da fito mm-hmm. je suis l'ambassadeur de la musique tuareg aka mani nadin sarauta a agadas sarki ya ce a mishi nadin sarauta na ambasadar tun yana kawo wakokin kwanciyar hankali kuma mutane da yawa na sauraren shi kenan kuma surtu yana ma kasar shi bauta bisa domin kin shi na music don sai in ce ina ma Allah godiya kuma wannan aikin na samu temoyage da yawa for example kin ga wannan temoyage da fara na governor na Agadez wanga shi ma tout ça c'est des témoignages que vraiment je suis alhamdulillah Donc, ina Allah godiya wannan uh-huh. kuma témoignage ne da president de la république chadien ya bani Idriss Deby kin gani wannan duka na association ne presque avait uh-huh. beaucoup de témoignages yau gaskiya on est sur cette émission <laughs> baby za mu ci gaba da wannan hirar tamu amma ka san comme shirye da tsari et que nous avons une rana avec nous on va aller encore en musique du live pour le plaisir de nos auditeurs ta muna jin Thank you. <laughs> مرحبا لنا مرحبا لنا مرحبا سقس سقس سقس استديو كلامبو اي اي اي اي بريزيدون بازم وانا تسكر غاسلة بازم وانا Merci, de nous faire danser dans ce studio. merci de nous faire passer ce bon moment. C'est vraiment quelque chose hein, <laughs> de t'avoir au studio. Mariam, on va continuer notre discussion avec euh, Bibi du groupe Inran que vous venez d'apprécier avec nous. Alors Bibi, dites-nous, parlez-nous de votre public et tous ceux qui consomment votre musique ainsi mhm. que vos projets. Euh, bon, vraiment zan Allah goudia. Euh, musique, yo, tunda duk abun da ka gani mutane suna son ka ana kiran ka sai kama Allah godiya kuma kamar da yadda na gaya muku presque j'ai presque euh, témoignage na president na afirka wanda duka yau in kafade su zaka alfahari da su mon premier témoignage par exemple président na libye kadhafi ya bani shi j'ai été à libye presque trois fois chaque anniversaire na président de la libye tun Kadhafi j'ai été invité presque trois fois avec le gouverneur d'Agadez j'ai été avec le gouverneur Yahya Yandaka j'ai été parti avec euh, euh Memanga Oumara j'ai été parti encore avec euh, euh mi colonel mekido donc c'est ma allah goudia et puis j'ai le témoignage du président de la République, euh, Maréchal Idriss Déby, j'ai le témoignage de mon président Alhaji Mohamed Issoufou Bazoum, homme qui ma Allah godiya, ne homme qui n'a in alfahari, se kamam domaine qui n'a ben regretté ba. a yo ina témoignage qui ka isa reconnaissance kin manya Allah vraiment Allah godiya. masha Allah son suna cikin lansekin ko mm-hmm. suna cikin waɗanda suke shuraren ku kwarai ko don wannan vraiment sai in ce abu ne wanda sai ma Allah godiya kuma da matsayin da aka bani har ya kai yau ana kirana da ambassadeur de la musique tuareg voix de la paix kenan sai in ce alhamdulillah kuma abu duk wanda hal kana da wurin kwanci kana da abun hawa kinan sai kama allo godiya ka ga kariyar kinka ba ka yi inda na sani ba kuma ya zama to yau ina da releve na ɗana na ciki na adi don sai ma Allah godiya in ce da ko da yau bana nan wakokin shi na tafiya cikin ajikin shi da ke da shi ma ya shiga da ajikin shi na ash da don sai ma Allah godiya kuma wanda suke tare da ni da wanda abakaina su ma sai musu fata alheri in ce na gode musu kamar abakaina su bambino su guntu da yaran gana musu ikali su ma yau duka sun zam estar suna da avenir kenan vraiment sai mu ce mu muna ma Allah godiya yanzu bibi tambayar mu ta karshe mhm. bisa wannan shirin tare da kai muna so mu sani wannan environment artistic de notre pays ya kake ganin shi kuma quelles sont les opportunités que ce pays offre euh, aux artistes qui sont voilà dans ce domaine a ganin mm, to abin da nake so dai ita dai kawai ta tashi ta kama ma jeunesse abin da dai adda kai mankan kenan gwamnati da bai yawancin kula da kukan matasa tunda in sun samu abin da suke so sai ki gani sun rage tafiya libi irin wanda suke zama su shiga bato suna bada su yi ketare tare su ke tare su ta yi suna son su ta suna inauguration suna faduwa cikin teku don inda sun samu aiki ba wanda zai bar kasash babu wanda ba ya son kasashi mai wani bi sai ki gani ne ke gani wani artist yanzu in musician ne bai samun gudunmawa ko bai samu taimako sai ce bari ni ta libi in gani ko can na samu dokaka ko wani abin mai inda yana samu ana kama mana a kasan babu wanda zai deplace ni yanzu kama misali deja inda na kai yanzu haka actuellement ina da projet na ma yara école de musique shine kika gani nan donc déjà le programme est déjà là c'est dans des yara na a ce matasa su samu su samu abun aiki école de musique ne gashi nan shine kika gani ne ah ouais ça c'est déjà programmé et c'est à Agadez et c'est le nom des groupes inhérent donc c'est mon projet comme ça école de musique ana inzad ana trimi ana duk tradition namu kuma ni ne nake so in yi finance dan yaran su rage bulaguro ko ko su rage shiga wata vi na wani shaye-shaye da wasu samu dai aikin da suka yi don taimako dai wanda muke so wanda ita eh, za ta kama musu ba ni ba ta kama musu matasa su zamana paske ko wani aiki in kana yin shi ka gani ba a kama maka sai kai dekuraje ka yi abandone shi don taimako dai wanda muke so ga shugaban kasa da duka shugaban kasa na afirka su kama ma matasa suna da avenir yaran suna da abun dikka yaran nan suna da avenir donc taimako dai muke so a kama musu su zamana kowa ya zamana kasashi mu yi aiki mu kama mu juna kin gani ni projet kina da su kina bibi mhm. Allah ya bada sa'a mun gode merci d'avoir répondu à notre invitation et merci pour ce bon moment artistique que vous nous avez fait vivre c'était vraiment un plaisir de vous recevoir sur cette émission Mariam C'est poursuit cette fois-ci avec la rubrique hebdomadaire consacrée à la justice. Il s'agit de l'abus d'autorité. On parle d'abus d'autorité lorsque le détenteur d'un pouvoir se autrui, que sa supériorité soit de droit ou de fait, en use pour pousser celui-ci, celui qui doit celui qui lui doit obéissance à commettre une infraction ou pour contraindre à supporter une atteinte à sa dignité ou à ses droits. Que dit le droit pénal sur la question Réponse avec Dan Lamy Issoufou, juriste à l'Association pour la défense et la protection des enfants et des femmes ADP Espoir. Il est au micro de Rafika Taher. Qu'est-ce que l'abus d'autorité Permettez-moi, avant de définir l'abus d'autorité, de donner quelques précisions sur la notion même d'autorité, qui est en fait le pouvoir de commander et d'être obéi. L'autorité désigne donc, dans un État, le pouvoir politique qui détient le monopole de la violence légitime, plus précisément le gouvernement et l'administration publique chargés de faire respecter les lois et règlements. Dans les sociétés démocratiques, l'autorité découle de la volonté générale et implique par conséquent l'idée de légitimité. Et l'abus d'autorité est donc une infraction à la loi pénale imputable à tout fonctionnaire de l'État ou à toute personne dépositaire de l'autorité publique qui outrepasse ses pouvoirs, soit pour se procurer un avantage, soit pour nuire à autrui. En droit nigérien, les abus d'autorité sont définis et incriminés aux articles 114, 115 et 116 du Code pénal. Qui peut être poursuivi pour abus d'autorité Les infractions d'abus d'autorité sont le fait des agents publics, c'est-à-dire des personnes dépositaires de l'autorité publique, des personnes chargées d'une mission de service public ou des personnes titulaires des prérogatives de la puissance publique. Il ressort des dispositions de l'article 114 du Code pénal que les fonctionnaires de l'administration publique susceptibles d'être poursuivis pour abus d'autorité comprennent, je cite, tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire ou tout agent de la force publique agissant en cette qualité des citations. Il s'agit donc de tout agent de l'État, tout magistrat, tout policier, tout gendarme ou douanier qui abuserait de son autorité pour nuire aux citoyens. Quelles sont les sanctions pénales encourues par les acteurs d'abus d'autorité L'infraction d'abus d'autorité peut faire l'objet des poursuites pénales conformément aux dispositions des articles 114, 115 et 116 du Code pénal qui punissent l'auteur d'une telle infraction d'une peine de 3 mois à 5 ans d'emprisonnement, d'une peine d'amende de 5 000 à 100 000 francs CFA, sans oublier les risques d'interdiction de l'exercice des fonctions pour une durée de 5 à 20 ans. Quels sont les éléments constitutifs de l'abus d'autorité Comme dans toutes les infractions à la loi pénale, pour qu'il y ait abus d'autorité, il faut nécessairement la réunion de trois éléments constitutifs, à savoir l'élément légal, l'élément matériel et l'élément moral. L'élément légal de l'abus d'autorité existe parce que la dette infraction est prévue et punie par les dispositions des articles 114, 115 et 116 du Code pénal applicable au Niger. Pour ce qui est de l'élément matériel de l'infraction, il est allié de préciser qu'en droit pénal nigérien, plusieurs faits ou comportements sont générateurs de la responsabilité pénale en matière d'abus d'autorité. Il s'agit entre autres du fait pour un agent de la force publique, agissant en cette qualité, de s'introduire dans le domicile d'un citoyen contre le gré de celui-ci, hors les cas prescrits par la loi. Il s'agit également du fait pour un magistrat qui, sous quelque prétexte que ce soit, se refuse de rendre la justice qu'il doit au parti après en avoir été requis et qui persiste dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs. Il s'agit en outre du fait pour un fonctionnaire ou préposé du gouvernement ou de l'administration des postes et télécommunications de retarder volontairement la transmission d'un courrier confié à l'administration des postes et télécommunications ou de procéder à l'ouverture du dit courrier. Quant à l'élément moral de l'abus d'autorité, il devient évident dès lors qu'il est possible de prouver que l'infraction est commise de manière intentionnelle. Et pour la dernière question, que faire en cas d'abus d'autorité En cas d'abus d'autorité, il est recommandé à la victime de porter plainte à la police, à la gendarmerie ou auprès du procureur de la République. La plainte de la partie civile a le mérite de déclencher l'action publique permettant d'obtenir la condamnation de l'auteur de cette infraction. Merci Rafika Taher pour ce reportage. De la musique à présent avec le titre Bébé de la grande Fatima Rico, une chanson que l'on dédie à tous les enfants africains. Vendredi 16 juin, c'était leur journée. cette chanson. Bébé, bébé. Ah, je l'adore cette chanson. Fatima Rico, qui passerait bien pour une verseuse, chante avec douceur son amour pour son bébé. Elle revient également sur les maladies infantiles qui peuvent toucher les plus petits et les faire pleurer. la grande Fatih Mariko. Très belle chanson. Direction d'IFA à présent pour le reportage Région Marien. Et eh oui, bébé, plus précisément ou où la sécurisation de cette zone n'est pas uniquement l'affaire des FDS. En effet, la population de ces départements collabore bien avec les forces de défense et de sécurité pour faire face à l'insécurité. Cette action salvatrice de renforcer la sécurité et la confiance entre population et FDS a pour seul objectif ramener la sécurité. Suivons ce reportage de Abdoulaye Maina depuis Kingimi. Pour renforcer la sécurité dans le département de Ningimi, la population de cette localité et l'armée ont renforcé leur collaboration afin de bien sécuriser les personnes et les biens de cette localité. Comment s'est fait la collaboration Quels sont les impacts de cette collaboration Élément de réponse avec quelques habitants de Ningimi. mu'amala da addakwai tsakanin 'yan gari da kuma jami'an tsaro wato mu'amala ne mai mahimmanci saboda sai da ɗan gari jami'in tsaro yake samu ya gudanar da aikin shi da duk inda ɗan gari ya juya ma jami'in tsaro baya to ba a samu a cimma burin da ake so a cimma. Dan mu yi dibin su jami'an tsaro ne ko suna saye da wani kaki ko wani abu mu nuna cewa muna jin tsoron su ba ba wannan bane kamata na yi mu ma akwai gudunmuwa da ya kamata mu ba su wace irin gudunmuwa ce na waye ma yan uwan mu kai matasa su gane hadarin da ke cikin wannan mutane da suke ta'addanci mu matasa ya kamata a ce muna kafa kungiyoyi waɗanda za mu karfafa mu su jami'an tsaron idan mun ga wani abu wanda ba mu yarda da shi ba ba tare da wani ya sani ba muna aya mu je mu kai mu gayi kenan kaga nan sai a ɗauki mataki. Selon le secrétaire général de la mairie de Ningimi, la population a compris qu'il ne peut y avoir une bonne sécurisation sans leur participation. Cette prise de conscience montre réellement qu'il y a eu des progrès ces dernières années dans la collaboration entre FDS et les différentes communautés. Monsieur Abdoulaye Choukou, secrétaire général de la mairie. abin da ya shahi hulɗa tsakanin jami'an tsaro da talakawa da jama'a al'umma ta da'ira ta mu ta gigime abin ya ci gaba sosai in kun diba kun gani tun shekarun baya da yanzu harkan tsaron ya an canza an samu sosai ci gaba mai rita da goma ta kai karkashin mayar aka samu aka waye wa mutane gari da muhimmancin cewa lalle tsoro ba aiki na jami'an tsaro kare bane amma tsoro na kowa da kowa ne wancan hankali ta kowa da kowa ce ya kamata kowa ya La sécurité est l'affaire de tous. Chacun doit apporter sa contribution pour sa concrétisation. Il est donc impératif que le gouvernement organise des séances de formation de temps en temps pour une collaboration continue entre les deux parties, c'est-à-dire la population et les forces de défense et de sécurité. Chers auditeurs, on nous signale Maïna au bout du fil. Maïna. Ah, <laughs> <laughs> on aimerait ah. bien savoir comment cette collaboration entre population de Gingimi et FDS a-t-elle commencé Y a-t-il eu des formations dans ce sens To, madalla eh, malama rabi wannan hulɗa dai ta jami'an tsaro da kuma al'umma na garin gegime ya soma ne daga ɓangaren musamman ma mahukunta da ke a nan gunduma ta gegime daga mataki na farko haɗi zuwa mataki na ƙasa kenan tare da kuma eh, tallafi na ƙungiyoyi masu zaman kansu da ke kawo gudunmuwarsu sosai ta bangaren ganin ya za a yi ma wai a samu hulɗa tsakankanin su jama'an tsaro da kuma al'umma ta gari bangaren ganin an samu zaman lafiya mai dorewa ganin yadda matsala na tsaro eh, ke wanda difa ke fama da ita tun yau kimanin shekaru bakwai zuwa takwas haka a ciki. Alors dites-nous, cette collaboration a tel des limites? Kamar ba taba samun wata tangarɗa ba wannan shirin da suke tare 'yan sandan da 'yan garin? a babu wani tangarɗa da aka taɓa samu sai dai ma ci gaba da lamarin ke yi ganin yadda hukumomi da kuma kungiyoyi kamar da na gaya muku suke ba mu lamarin karhi mhm. musamman ma taruka da ake haɗawa lokuta zuwa lokuta kamar kuma wasanni da suka shahi balo ko kuma wani suware da eh, hukumomi da kungiyoyin suke tsarawa domin ganin jami'an tsaro da kuma matasan sun ci gaba da kasancewa eh, a tare don ganin su Eh, al'umma suna ba ma waɗannan jami'an tsaro labari ba zan manta ba akwai wani taro da aka yi tsakanin su jami'an tsaro da kuma matasa musamman na gari wanda abin ya dan bani mamaki sosai har nake tambayar wani jami'in tsaro wai kamar menene dalilin da yasa a kowane lokuta an yi kutan yin taron nan da matasa sai yake mini bayanin cewar dalilin da yasa su jama'an tsaro aka ɗauka cikin kaso 100 kusan 75 dukansu matasa ne. haka zalika su ma waɗannan wanda suke tada ƙayan bayan a ɓangaren nan jihar difa musamman abin da ya shahi boko haram dai duka aka ɗauka cikin kaso ɗari kusan tasa'in da wani abu duka matasa ne to mun gode da wannan bayanin da kan masha Allah zai mu ci Allah ba da sa'a amin amin merci Bonjour Adam, comme vous le constatez, chers auditeurs, c'est l'heure du sport. Et Adam, quelles sont les nouvelles sportives de ce matin Bonjour Mariam, bonjour Rabi. Bonjour. Alors parlons du sport roi au Niger avant de revenir au foot. Il s'agit là de la lutte traditionnelle, le sport dominant sur le territoire national. Ce week-end s'est jouée la finale de la Coupe du Président de la reine de lutte de Niamey, qui a opposé le quintuple champion du Niger, Kadiri Abdoudi Isaka Isaka de Dosso et Lawali Dantela de Zander. C'est Isaka Isaka qui a remporté cette coupe et une enveloppe de 3 millions de francs CFA. Dantela, quant à lui, a empoché la somme de 2 millions de francs CFA. Pour rappel, cette Coupe du Président met aux prises les 16 meilleurs lutteurs du pays, dont deux par région. C'est la deuxième Coupe majeure du pays après le championnat national. Adam, nous parlons foot à présent. Oui, Rabi, alors, euh, comme vous le saviez sans doute déjà, hier, le MENA national a été battu sur le score de 1 but à 0 par la Tanzanie. Le MENA national est éliminé de la course pour la qualification à la Cannes Côte d'Ivoire 2023. Alors, quel est le bilan de cette cinquième journée des éliminatoires Sept nouveaux pays sont qualifiés pour la Cannes 2023. Il s'agit du Nigeria, de la Guinée-Bissau, du Mali, le Cap-Vert, l'Égypte, la Zambie et la Guinée équatoriale. Ils rejoignent ainsi la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud, le Sénégal, le Burkina Faso et la Tunisie. À présent, il ne reste plus que 10 places à prendre principalement lors de la dernière journée en septembre 2023. Alors c'est la fin pour cette chronique. Au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci bien Adam. à très bientôt. Dans la rubrique portrait d'aujourd'hui, nous allons vous présenter Daouda Hamadou, un jeune pêcheur de l'île Karijo situé dans les accablures au département d'Aérou. Le polygame de 39 ans et père de 15 enfants comme tous les autres jeune de l'île tire son épingle de la pêche. Écoutons-le au micro de Habib Garba. wallahi irsin da goy bafu nan ta kulkan man ta sarkatara ir sarkatara ma ga dai irga nga irga ha irga sarkatara irsa kulte kadda irga bilili dai irga dalbu dai irga sankayan dai irga te birgi ngai dai ni irga goy dai hamisa dai ni irga dai du irma nere irma dai haini irma dai hama irma nga da ya ce irisuwar ka tara kan irgo ga ta wanda giri wannan zakin da yagga wanda yin za izo yakin dugu wallahi ina na tubu ma ina na garda ai baban da ya kabura gaban da no so handa ma. so ifo difo non du sor tara wara wallahi sor ka tara irga nga dai irga ir murade te wodin murade dai don hama dake baitun irse ara nirgate da iddu hige ara nirgate an kankin dinga yanda ban kare ara dai ni rigati gina wani cin tinga sort tarawati sawan da ka kaso ai to giri waran za iga goyi da ai za ai sin da gabi halai to nan kai ga sambuhi ai bumbobon sai ai makoi gure kuna di hiyo motor no gaga wato din hiyo bine hikai yan no garan sai aran kurba mata no bar mai yan fodum no ce wanda ko korban da bar mai yan kanti dan gwanda hinani go koi haro ban ni ga dan masini ni makoi sorkai gingina mu ka buhuni dai ne irga te irin makoi sorkai to bar ma yankan te irga da gonai hadde ni gonda hina zama masino da niga ba niga koi domo modu ni makoy hidini maka bisa ka buhu ne da in ga dai ni gogate bay mo alwat fute waran ko ara bore o arandira aran ko ayaru eh, ifo sen wallahi kan ni rigare lakkal tuna kan tun dago kul sai iddi bore kul sai irmo sai ka koi borai bandi ga dai ka irka tare zama hari kan ni sa bai ni kaka diya zani ga mara hal aka ka toni do kinora lakkal kaniyan siniga to dole madira zaman sibi hanka ga kakati borai kul dira ni mo dole mutun ka koy borai bandi ir koy te ir koy ayri te girbi wai kindi fo mai no ne aram ka walarin dai no ye karam mo ah, barbere kan ir koy ir zumbu ibon firefe amiru hausa da mero ine kan irga ba ir kware yan ir mai ir kwara to ir mo ir kura ir hiyera ikati ir sallama ir mo ir ir kwara ir goro amma ir goro yan ka kafan kuna ir mana dita likul ir gore lakkal kanara o il mandi an kan taron wani ba funa fonda ra zamne ne osin bo kan go goy fote de man tsorka tara wallahi ke yan kan go irse hali ir ko te fonda go irga ba ga kasine zama ir sin da gabi goy gine do har bumbo irga ba ga kasine ngari ke kayan ta mosi irse ka irga ruwan da hauzu wai din kul irga ba iga kasine halir du oh wai din kul irga ba le futa giyan go ne o kayan sig murad fo kulto wallahi ido furta giyan kul ino ne wo kan da muradi kul zama ir da gwe kul kal sorka taradin abon dai iga gwai da manti borfono ika ka bu kwarara ine ina no gwai fo kan aga kwara hau gai kan ayandi sin da gwai sarka tara ma ga dai ga nga ir ba funa ta irma na furta gi kul kan ne wo kan da gwai bor kul ga gwai wo bon ago zama bor kan imani ni sambu iga ni ayandi iga di bon kare ni da gwai kan ni ga gore ni wono dai no ni ga ni mani bon ayandi merci aboubi Habibou ah, Garba pour euh, ce pour ce joli portrait avec notre dernier tour en musique rendant hommage aux mamans avec cette chanson des jeunes filles de Langudaou dans le département de Matamei. Ici, elles chantent cet amour inconditionnel des mères pour leurs enfants, mais aussi comment on devrait leur rendre cet amour. cette belle chanson aux deux Dengi qui nous accompagnent sur cette émission. De l'autre côté de la vitre, Amina Hassan, Adama Dawaki. Mariam, c'est avec cette belle chanson que nous attaquons le loti de l'équipe femme du studio Kalangu. Aujourd'hui, le loti des ex-femmes du studio Kalangu porte sur l'utilisation des somnifères chez les enfants. En effet, Mariam, certaines mamans, pour pouvoir travailler et à leurs occupations, donnent des somnifères à leurs enfants pour les endormir. La prise du somnifère paraît efficace dans un premier temps, mais sur le long terme, les risques sont nombreux. Écoutons Rekia Arimi, Mariam Ade et Samira Rouafi. affairage, affairage, affaire. rentrer tranquillement à la maison, me reposer. La journée sera longue demain. Sahura, Sahura, va me réveiller ta petite soeur, on va partir. Tanti, elle dort encore, je tout fait pour la réveiller en vain. Ah ah ah, comment ça Maria, Maria, Maria, tout. Elle dort profondément, hein Bon, je vais la mettre au dos. Elle se réveillera à la maison. On y va. Maman, tu rentres déjà oui, je suis trop fatiguée. À demain pour le baptême. Marie adore encore. Depuis que vous êtes arrivée, elle ne fait que dormir. J'espère qu'elle va bien. Oui, elle se porte bien. Je lui ai donné un somnifère pour que je puisse aider dans les préparatifs du baptême de demain. Sinon, elle va me déranger. Mais je crois que j'ai un peu abusé sur la dose. Quoi Tu donnes des somnifères à ta fille pour qu'elle ne te dérange pas Et pourquoi tu l'as accouchée Tu vas détruire la vie de ton enfant pour rien détruire sa vie juste en la faisant dormir. Pourtant, le sommeil est bon pour la santé. Ah, je ne vois pas en quoi je lui ai fait du mal. Tu me fais rire. Hein? Tu ne vois pas en quoi tu lui fais du mal. Tu ne sais pas que c'est juste quand une personne a un trouble de sommeil qu'elle peut prendre des somnifères. Est-ce que c'est le cas de ta fille Non, elle dort normalement quand il le faut. En fait, je lui donne ça quand je vais dans des rassemblements. La nuit, je n'ai pas de problème avec elle. C'est grave ce que tu fais. Ce sont généralement des enfants qui pleurent la nuit ou ne dorment pas tôt, empêchant la famille de se reposer, à qui on donne des somnifères. L'usage des somnifères n'est pas sans conséquence sur la santé. L'administration des somnifères est fortement contre-indiquée avant l'âge de 1 an, alors que ta fille n'a que 6 mois. En plus, ça doit être préconisé par un médecin. En tout cas, jusqu'à présent, elle n'a eu aucun mal avec ça. La prise du somnifère paraît efficace dans un premier temps, mais à long terme, les risques sont nombreux. Une consommation régulière de somnifères, surtout chez les enfants, est accompagnée d'un certain nombre de risques qui l'emportent probablement sur les avantages. Hé, hey, Halima, en fait, je lui donne ça seulement quand on sort. Donc ce n'est pas beaucoup. Seulement quand on sort, ce n'est pas beaucoup. Tu m'énerves, hein? <laughs> Halima En plus, tu ris. <laughs> Tu ne sais pas que l'intention régulière et à long terme des somnifères a un certain effet secondaire potentiellement grave sur la vigilance, l'apprentissage et la mémoire. À court terme, l'utilisation des somnifères provoque une baisse de la concentration et de la vitesse de réaction, et à long terme, des maux de tête, fatigue, vision trouble, sensation de somnolence ou de vide, faiblesse et fatigue musculaire, vertige, etc. Et j'en passe. Hum, tout ça là, c'est trop. Tu es sûr de ce que tu me dis tu oublies que je suis dans le domaine de la santé Vraiment, si c'est comme ça, je crois que je vais arrêter. C'est dans ton intérêt en tout cas. Écoute-moi, certaines adaptations peuvent résoudre ton problème. Si tu veux que ton enfant dorme, mets-le dans un endroit calme, détendu et relaxant avant. Chez certains, prendre un bain s'avère bénéfique. C'est mieux que de lui donner des somnifères. J'ai bien compris, Halima. Tu vois, Maria dort toujours. Et avec tout ce que tu viens de me dire, je suis inquiète. J'espère que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai décidé d'arrêter que les problèmes vont commencer. Non, je pense que ça ira, ne t'inquiète pas. Mais il ne faut plus recommencer, surtout pour des futilités comme ça. Du genre non, je ne veux pas qu'elle me dérange. Inch'Allah, je te promets, Halima. artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique Le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. L'émission Le Niger sur Kalangou, c'est aussi de la culture linguistique. Et eh oui, Bibi, aujourd'hui, on va découvrir les mots monde avec Jackie Dalton. Hello, I hope you're well. Bonjour, j'espère que vous allez bien. La semaine passée, on a parlé du World Day Against Child Labour. Et dans cette phrase, il y avait le mot world. Halimatu Isaka de Zinder nous a contactés en demandant si on pouvait traiter ce mot en Hausa également. Donc moi, je ne parle pas Hausa malheureusement, donc ça, je laisse à mes collègues. Mais on s'est dit, on va quand même creuser un petit peu plus le mot world en anglais. Alors world, ça peut être utilisé dans le sens du mot monde, mais aussi mondial. C'est le même mot. World, ça veut dire monde et mondial, comme World Labor Day, journée mondiale du travail. La prononciation n'est peut-être pas très facile. Alors je vais répéter le mot world plusieurs fois lentement. World. World. World. Et maintenant, on va regarder deux expressions en anglais avec le mot world. Première expression, It's a small world. It's a small world. En français, on dirait le monde est petit. C'est l'expression qu'on utilise parfois quand on reconnaît quelqu'un par hasard dans un endroit lointain ou inattendu, ou quand on découvre une connexion personnelle jusqu'à la inconnue avec un autre. Par exemple, récemment, moi j'étais au Niger et j'ai rencontré quelqu'un que je connais d'Écosse. Et on s'est dit, It's a small world. It's a small world. Small, ça veut dire petit. It's a small world. Maintenant, passons aux deuxième expression. Out of this world. Out of this world. Savez-vous ce que ça veut dire bah, Ça veut dire quelque chose d'extraordinaire ou de magnifique. Par exemple, si je mange un repas très très très bon, je vais dire It's out of this world. It's out of this world. Donc là, on a pris deux expressions, à voir si vous avez retenu. Alors comment dire en anglais le monde est petit C'est It's a small world. It's a small world. Et comment dire que quelque chose est absolument magnifique et fabuleux Out of this world. Out of this world. World. That was today's English word. Et n'oubliez pas que tout comme Halimatu Isaka de Zinder, vous pouvez nous contacter via WhatsApp, envoyez-nous un message avec vos questions ou les mots que vous aimeriez connaître dans d'autres langues. Until next time! Merci Jackie depuis euh, Lausanne, chers auditeurs, auditrices, euh, vous avez d'autres mots, expressions comme l'a dit Jackie, dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, Hausa, Zarma, tamachek ou en N'hésitez pas à laisser un mot au 82 89 89 64. Il est temps pour nous d'écouter nos auditeurs. sunana rabi alhaji mamman wanda aka sani da sunan raba mai aski shugaba ne na kungiyar masu tsaron radio na jihar damagaram eh, ra'ayina a dangance da shirye-shirye na studio kalangu gaskiya goyon baya ne zan ba su da farko dai ɗari bisa kan ɗari a dangance da irin shirye-shirye kala-kala wanda suke yi mana domin ci gaban al'umma musamman ma wajen bangare na kiwon lahiya da suke tabawa bangaren kiwon lafiya ma ya taɓu wajen bangare kala biyu akwai wani wajen bangaren mata da suke faɗakar da al'umma domin tafiya wajen awo likita ziyartar likita a kodon lokaci zuwa lokaci akwai bangare na biyu da suke ɗauka bangare na matasa bangare na shaye-shaye da suke yi domin faɗakar da matasa menene illar shaye-shaye da suke To kusan wannan shirye-shirye guda biyu wanda ake gabatarwa sosai suna ƙayatar da ni kuma ina jin daɗin su kuma ina ƙara musu goyon baya akan shirin wannan da suke domin su ɗan ƙara faɗaɗa shi kaɗan. Wace irin faɗaɗa zasu su mishi kamar irin 'yan mintunan da suka bada kin ne ya kamata a ce an ɗan ƙara su koda kaɗan ne akan na dakin. Domin irin ƙarin da za a yi a nan ne za a iya samun damar da mutum zai iya samun dama ya yi sharhi a kai ya dan faɗakar da al'umma wanda suke gabatar da irin wannan mugun aikin wannan kamar masu shaye-shaye dan a bada minti ɗaya ko biyu a ce a kwatanta musu illa shaye-shaye bai iya isa su amma da an bada lokaci mai dan yawa gaske wanda za a iya kwatanta musu illa shaye-shayen wannan na tabbatar da cewa akwai matasa da dama wanda za su yi watsi da harkokin wannan kenan studio kalangu da ta kirkiro irin wannan shirye-shiryen domin su fadakar da matasa kuma alhadi shiri ne kuma wanda matasa da dama suna jin shi Abun burgewa ma a cikin su wanda ya kasance ma'aikatan na studio kalangu suke tashi da kansu su je fada inda matasa matasan suke zama domin su yi zance da su kuma su zo su watsa kafafen yada labaru irin wannan abin da suke shine abin burgewa ma wanda sauran waɗansu kafafen watsa labaru da suke irin wannan shirye-shiryen ba su cika yin haka nan kin ba kirana a gare su dai yan studio kalangu su ƙara faɗaɗa kamar yadda suke su ƙara kutsawa a cikin karkara a karkara a nan aka yi samun yawan matsaloli na mata marasa zuwa lik asibiti da ƙarshe dai kawai zan iya gaida dukkanin eh, al'umma wanda suke bibiye da shirin na studio kalangu eh, musamman ma mambobi na kungiyar masu kira da sauran radio da kuma sauran mambobi na club da fada da kuma association da kuma gurfama Accueillons Rafika Terre dans ce studio pour connaître les titres de la grande édition du soir. Bonjour Rafika. Bonjour, comment vous allez Ça, Ça va, va, super. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour du mois de Zulhidja. Il est donc recommandé de ne pas se couper les ongles et les cheveux jusqu'au dixième jour. Vous aurez des précisions dans le journal de ce soir. Nous parlerons ensuite de la panne technique de la Char et dans la partie magazine de l'édition de 17h. Vous suivrez les explications sur l'assistance juridique à Dosso. Voilà, c'est tout pour les titres de ce soir. Rendez-vous à 17h. Merci bien Rafika. Rendez-vous pris à 17h. Ici prend fin cette émission. On se dit à demain avec un autre duo, bien sûr. Vous étiez en compagnie de Rabia Meikano et Maria Madé. L'édition a été assurée par notre dame de fer de toujours, Adama Dawaki, et la technique par l'autre dame de fer qui nous accompagne sur cette émission, Amina Hassan. Bye bye et très bon après-midi à tous.